The forum the forum, the forum du studio Kalamkou the forum du the forum, the forum du the forum, the forum du the forum, the forum du the forum, the forum du the forum, the forum du the forum, the forum du the forum, the forum du studio Kalamkou il est 18h16 minutes. Euh, mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute euh, du forum du studio Kalangou. Au micro, Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amphani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozirine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Dans le forum de ce mardi 29 novembre, nous allons accompagner le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant et ONU Niger qui ont organisé ce matin une journée porte ouverte au palais des congrès sur le rôle de la femme dans la paix et les actions humanitaires. Le thème retenu est Contribution de la femme nigérienne aux actions humanitaires et à la consolidation de la paix. C'est la première dame, Essata Issoufou Mamadou, qui était à la cérémonie de ce matin. Dans son discours, elle dit constater que les femmes sont très peu impliquées dans les initiatives de paix et moins associées dans les négociations de paix. Autre intervention à la rencontre de ce matin, celle du ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mme Elbak Zenab Taribakou, souligne que les femmes nigériennes ont toujours été présentes dans la consolidation de la paix. Vous suivrez aussi la directrice régionale adjointe de ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour Corinne Delphine Dao, cette journée rend visible les initiatives féminines à travers des expositions. Et pour nous accompagner tout au long de ce forum, une autre femme très engagée dans les questions de paix, Madame Haruna Fatoumata, secrétaire générale à formation du réseau national des femmes pour la paix, le REFPA, et qui est également membre de la coordination des ONG et associations des femmes du Niger Congafen. Voilà, je disais qu'en début de, cette émission, que nous avons une invitée qui va nous accompagner tout au long de ce forum dédié euh, à cette cérémonie consacrée euh, à la femme, au rôle de la femme dans la paix et les actions humanitaires. Madame Haruna, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue à ce rendez-vous. Vous allez vous présenter à nos auditeurs. Oui, je suis Madame Haruna Fatoumata. Je suis secrétaire générale à la formation du réseau national des femmes pour la paix, RENA, en abrégé RENAFEP Niger. Et qui est également membre de la Qui est également membre de la CONGAFEN, la coordination des ONG et associations féminines du Niger. Oui, le RENAFPEN, le pas. Le RENAFEP. Oui, le RENAFEP, pardon. oui, euh, c'est le réseau national des femmes pour la paix. Oui. oui. Pourquoi vous avez eu cette initiative de créer bon, Bon, merci. Avant de répondre à votre question, j'ai une pensée particulière parce qu'on parle de paix. Pour nos voyants soldats qui sont sur le front, nous souhaitons que la chance soit de leur côté, qu'ils sortent vainqueurs à chaque étape difficile dans laquelle ils rencontrent. font face à l'ennemi. Ils font face à l'ennemi. Maintenant, ma seconde préoccupation, c'est que j'adresse mes sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu leur vie, que ce soit les militaires ou les civils, en tout cas tombés sur le champ d'honneur. Et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. En tout cas, c'est ça notre souhait. Maintenant, pour répondre à votre question, notre réseau a vu le jour en 2014. Plus précisément, au mois de janvier parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu. Janvier dernier. Janvier 2014. Il y avait eu des soubresauts politiques parce que la, la recomposition de la classe politique qui a fait que la majorité, un des membres de la majorité a quitté la majorité pour rejoindre l'opposition, en l'occurrence le président, l'ex-président de l'Assemblée nationale, son Excellence Amadou. Quand il y a eu ces, ces, ces soubresauts politiques, sociopolitiques, nous nous sommes dit qu'en tant que femmes, nous devons jouer un rôle important pour rapprocher les positions. Qu'est-ce que nous avons fait Nous avons invité toutes les femmes du Niger, toutes tendances confondues, que ce soit les femmes de la société civile, les femmes des partis politiques, les femmes, les associations religieuses, les, associations estudiantines. En tout cas, nous avons rapproché tout ce beau membres pour en discuter de la mise en place d'un comité d'abord qui va jouer le rôle de pourparler entre les deux. Dieu merci, on a eu l'agrément de tout le monde, tout le monde était consentant. C'est de là que est est née l'idée de la mise en place d'un comité de veille. Donc c'est ce comité qui, à la longue, est devenu le réseau que nous avons transformé, un réseau national des femmes pour la paix, qui a vu le jour en juillet 2014. Donc, la reconnaissance date Donc, votre, votre, initiative a commencé, disons, en 2013, parce que les soubresauts ont commencé en 2013. Non, on n'a pas... Parce qu'en 2013, là, nous n'avons pas pu réunir tous ces beaux monde. Mais déjà, nous avons eu des initiatives. Quelles initiatives Nous avons approché les femmes des deux camps, de l'opposition comme de la majorité, pour mener des parler, vraiment approcher les uns et les autres pour comprendre la position des gens et des autres. Déjà, on a eu des initiatives. Et elles étaient venues toutes les deux tendances Oui, les deux tendances. Vous, étiez arrivé à les mettre euh, autour de la table Les deux tendances on était d'abord avec les gens de l'opposition et de la majorité. On est allé d'abord vers le président de la République. Ça, c'est en, 2013 en septembre 2013. Je ne me rappelle plus, c'est le 22 ou bien le 23, en tout cas c'est un des deux. Nous avons rapproché le président de la République pour savoir de quoi il s'agit. Nous avons, nous avons quitté la présidence. On est allé voir le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Hamadou Dantan, et nous avons pris les positions de chacun d'entre eux. Nous sommes revenus. C'est en ce moment que nous avons mis en place ce comité-là qui a travaillé d'arrache-pied. Et c'est ce comité qui est devenu aujourd'hui le, le réseau national des femmes pour la paix. Et on ne s'est pas arrêté là. Le réseau des femmes pour la paix a touché d'abord le CSC mais puisqu'on parle de paix, en quoi est-ce que le fait que deux partis politiques se séparent la séparation de deux partis politiques qui cherchent le pouvoir chacun, mm, mm. peut nuire à la paix Vous n'êtes pas sans le savoir, vous les médias. Vous savez que tous les soubresauts, tous, tous les problèmes, les conflits naissent, euh, tirent leur source à partir des questions politiques. Tous les conflits, 90% des conflits tirent leur source à partir des conflits politiques. Donc vraiment, vous ne pouvez pas me poser cette question et me dire ça peut être, ça peut entraîner même la foudre dans la tempête, si je peux le dire, des conflits politiques. Donc, et donc le réseau est né eh Oui, c'est conscient de ça là, de l'ampleur et de la gravité de la situation que nous femmes, on s'est réunis, on a mis en place ce comité qui a travaillé. Nous avons travaillé, je vous dis, on a approché d'abord le CSC. Pourquoi on a approché le CSC Parce que c'est un canal. On pense que vous êtes les canaux les mieux placés pour aplanir la situation ou bien l'aggraver ou, si vous le voulez. Donc maintenant, on a vu le CSC, on a vu la CNDH, qui est la Commission nationale des droits humains. On l'a approché parce qu'elle aussi, elle a son mot à dire là-dedans on a approché toutes les structures religieuses, les chefs traditionnels, je vous dis toutes les composantes, toutes les composantes de la nation qui peuvent euh, à, promouvoir la euh, paix, à promouvoir la paix, à consolider la paix et asseoir un climat vraiment de stabilité, on les a approchés. On les a approchés et on a mené des offensives, des rencontres qu'on a initiées. On a rencontré individuellement chaque groupe parlementaire d'antan tous les groupes parlementaires. On, les a écoutés, hein, on, les, a, écoutés. On a fini avec les groupes parlementaires. On a pris les étudiants. On les a rencontrés. On a pris les associations religieuses. On les a rencontrés. En tout cas, la plupart des gens qui peuvent mettre la main dans la pâte, on les a rencontrés individuellement. On a fait un calendrier de rencontres. On n'est pas arrêté ici. Après les rencontres, on s'est dit, il faut faire des séances de sensibilisation pour attirer l'attention des gens. Parce que les conflits post-électoraux ou bien pendant, dans le processus électoral peuvent déboucher sur une guerre. Donc nous, on ne veut pas de guerre chez nous, on veut la paix. Nous sommes vraiment les gardiens des valeurs traditionnelles. Nous, sommes, avons un rôle important à jouer parce qu'en cas de conflit, nous sommes les principales victimes. vous nous voulez dire, Oui. Donc, Alors, quel est le résultat euh, euh, après deux ans d'existence, puisque vous êtes né en, 2014 On n'a pas fini. On a eu à Miené parce que nos sœurs de Difa, on a une pensée particulière pour ces femmes-là. On, était, on a été jusqu'à Difa. Grâce parce qu'on n'a on pas baissé les bras. On a mené des offensives. On a fait des plaidoyers pour avoir des partenaires. Et Dieu merci, le NDI, ONIFAM, PNUD, que je remercie au passage, et notre plus grand partenaire, c'est l'USAID pdf 2, qui nous a beaucoup financé. On on est allé jusqu'à DIFA, faire des formations, des renforcements des capacités et des sensibilisations auprès des communautés, rien que pour que la paix soit définitive au Niger. On ne s'est pas arrêté à Difa, on est allé dans la région de Maradi, on est allé à Tilaberi, à Niamey, donc on a... vous avez fait beaucoup, toutes les régions. pas toutes les régions, mais nous avons fait à peu près cinq régions. Prenons le cas de Difa. C'était quoi votre message Notre message, c'est-à-dire, vous savez qu'à Difa, il y a la secte Boko Haram qui sévit. Et on, on, a déjà, on a fait une première analyse, petite enquête, on s'est rendu compte que la plupart des gens sont recrutés au niveau de la localité. Donc vraiment, on est parti sensibiliser les gens. C'est qui spécifiquement les jeunes, les, et les femmes. On a, on a ciblé notre sensibilisation sur la jeunesse et les femmes. Ensuite, on a vu les autorités administratives, en l'occurrence les élus locaux. On a vu les chefs, les, leaders religieux, c'est notre cible sur laquelle on s'est basé à DIFA pour mener nos activités de sensibilisation et de renforcement des capacités. Donc c'est ce que nous avons fait à DIFA et c'est la même chose qu'on a produite à Niamey, à, à, Maradi, à Tilaberi et à Zender. Donc, c'est les régions que nous avons pu toucher grâce au financement. Et je vous je, je rappelle à toute fin utile que nous avons été honorés par la deuxième vice-présidente de l'Assemblée des États-Unis. Nous avons un témoignage officiel de satisfaction qu'elle a remis au RENAFEP. Si vous voulez, on peut le photocopier et vous l'amener. Parce que vous avez contribué à Parce que nous avons contribué à cultiver, la paix, à asseoir la paix. Et je vous dis, vous m'avez demandé des résultats. Dieu merci. Notre, nos différentes euh, interventions là, nos, le plaidoyer que nous avons eu à mener pour rapprocher les deux positions vraiment a apporté quelque chose. Comme ça, a, apporté beaucoup de choses. Parce que ce que les gens, la bombe que les gens voulaient que ça s'éclate, ce que les gens ont attendu, ça n'a pas été comme ça. Même si les choses ne sont pas très bien passées comme nous le voulons, parce que nous nous avons voulu que les deux unissent leurs efforts et continuent ensemble. Nous n'avons pas eu cela, mais vraiment ce que les gens ont attendu n'a pas été. La bombe que les gens attendent qu'elle s'éclate n'a pas éclaté. C'est quelque part un effort de votre réseau. Hein? J'ai dit c'est quelque part un effort de votre réseau. tout réseau. À fait, tout à fait. Tout à voilà, Merci beaucoup, madame, pour cette présentation. On va observer une petite pause. Voilà, 18h29 minutes, euh, nous allons au Palais de Congrès où s'est déroulée ce matin la cérémonie euh, consacrant euh, la, la, porte, la cérémonie, la journée de porte ouverte donc sur le rôle de la femme dans la paix et les actions humanitaires. Le thème retenu, je vous le rappelle, contribution de la femme nigérienne aux actions humanitaires et à la consolidation de la paix. Nous sommes toujours avec notre invité, mais il faut dire que c'est la ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfant qui a présidé euh, la cérémonie. Et dans son discours, elle a déclaré que les femmes nigériennes ont toujours été présentes dans la consolidation de la paix. Madame est là pour euh, la, euh, Madame l'a confirmé précédemment. Je vous propose de suivre Madame Elbak Zainab Taribako, qui est la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant conviendrez avec moi que pour préserver la paix, il faut la construire au quotidien, dans toutes les sociétés, avec la participation de tous et de toutes. Cela dit, la femme qui est l'éducatrice, la gardienne de la tradition, ne doit pas être à marge de toute action à entreprendre en faveur de la paix. Ainsi, il nous est impératif de travailler ensemble, œuvrer à la construction d'un avenir commun meilleur pour tous. Chères femmes, il y a longtemps que nous œuvrons aux côtés des hommes pour le développement du pays. Mais cette participation a été toujours faiblement prise en compte dans les statistiques. Avec cette organisation, le souhait est devenu aujourd'hui une réalité. En effet, pour aborder la question de sécurité dans le monde, en Afrique et au Niger, je suis d'autant plus confiante que le fils et le fille de notre pays sont exemplaires dans la participation à la prévention, à la résolution des conflits comme à leur consolidation. Le Niger a déployé au titre des opérations de maintien de la paix à l'échelle internationale des contingents. Il était présent avec courage sur tous les terrains meurtriers au Mali et à Difa. Les femmes étaient à leur côté, parmi lesquelles figure la commandante Aïchetou Issa Ousmane, plus les femmes au foyer qui combattent avec leur soutien moral sans limite aux hommes qui sont au front de combat. Et cela bien qu'au temps de conflit, les femmes et les enfants sont les composantes les plus touchées par les conséquences des troubles sociaux. Les camps de réfugiés de la région de Difa constitue un exemple concret pour le pays. Par conséquent, il est un devoir pour moi d'accompagner les initiatives féminines afin de garantir leur pénalisation. C'est pourquoi plusieurs actions sont entreprises par mon institution pour œuvrer dans ce sens. L'élaboration des plans d'action, dont entre autres le processus d'élaboration de la stratégie nationale de la lutte contre la violence basée sur le genre et son plan d'action et l'élaboration d'un plan d'action national par rapport à la résolution 1325. Et d'ailleurs, nos autorités au plus haut niveau. À l'occurrence, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, a fait de la question de la sécurité son cheval de bataille en rapport avec le développement du pays. Ainsi, la tenue de ce présent exercice des femmes, grâce à la bonne collaboration du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, en partenariat avec les autres ministères sectoriels et ONU Femmes, relève d'une grande importance. Car cette journée de visibilité de la contribution de la femme nigérienne symbolise la lutte qu'elle mène dans le cadre des actions humanitaires et de la consolidation de la paix depuis toujours. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes plus vifs remerciements à tous les partenaires nationaux, bilatéraux et multilatéraux pour leur appui constant et multiforme par rapport à la résolution et au maintien de la paix dans le monde. Madame Elbak Zenaba Taribako, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, et Lula les initiatives que les femmes, les femmes ont menées dans le cadre de la recherche de la paix. Madame, vous avez suivi le discours, mais je voudrais poser une question par rapport au thème qui a été retenu, la journée porte ouverte, avec pour thème la contribution de la femme nigérienne aux actions humanitaires et à la consolidation de la paix. Qu'est-ce que vous en pensez ça, réconforte, ça vous réconforte dans votre rôle euh, Ce que la ministre vient de dire, c'est un discours plein de sens pour moi, à mon avis. Ça, ça n'engage que moi. C'est un discours plein de sens et c'est vraiment ce que nous attendons. Nous attendons que les femmes soient impliquées à part égale, que ce soit au niveau de la prévention, au niveau de la participation, au niveau de la protection, au niveau des opérations de construction et les efforts de redressement nous voulons que les femmes soient impliquées à part égale. Donc, c'est ça, ça la résolution 1325 dont la ministre venait de parler, que le plan d'action vient d'être adopté. C'est un plan d'action national qui vient d'être adopté vers le 14, le 14 novembre. Donc, c'est un plan d'action que tous les pays membres de la CDO disposent d'un plan d'action national. Euh, rappelez-nous la résolution 1325, qu'est-ce qu'elle dit C'est la résolution 1325. Elle engage les États à impliquer davantage les femmes dans le processus de paix, c'est-à-dire au niveau de la prévention, au niveau de la participation, au niveau de la protection et au niveau des opérations de construction et de redressement donc, les femmes doivent être impliquées équitablement, au même titre que les hommes. Donc, c'est ce que dit la résolution 1325 du Conseil de sécurité, paix et des Nations Unies. Donc, c'est ce que dit la résolution 1325. Et Dieu merci pour nous femmes, comme le Niger a son plan d'action national qu'il vient d'adopter, nous pensons que vraiment c'est un, un pas de gagner pour nous quand on prend votre exemple, vous êtes un exemple dans la recherche et la consolidation de la paix. Est-ce que quand on vous dit que la femme n'est pas aussi présente, qu'il faut demander un engagement des États, vous, êtes d'accord Comment ça se concrétise je suis, je suis tout à fait d'accord. est-ce c'est vrai Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, nous menons des, activités pour asseoir une paix définitive dans notre pays. Mais est-ce que combien de femmes sont impliquées dans les actions de, paix. elles sont timides, c'est timide. Leur participation est timide. Est-ce que combien d'hommes sont impliqués, même si c'est au niveau de l'armée, au niveau de quoi et quoi, tout, tout, tout. On va revenir euh, euh, sur, cet aspect. Euh, mais avant, qu'est-ce que la femme mm-hmm. a pu faire quand il s'agit de conflits comme ça la femme, on vous a dit, oui, ce dans, Dans les situations de conflit, même dans les situations de paix, la femme joue un rôle important. On dit derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Ça, vous êtes conscient. On dit que la femme, elle est mère de l'humanité. Comme vient de dire Madame la ministre, elle est éducatrice. L'éducation commence, la culture de la paix commence dès la maison. C'est la femme qui éduque les enfants. C'est elle qui inculque à l'humanité, la, culture de la tolérance, l'esprit de solidarité et tout. Donc, pour dire que, pour me poser une question, pour dire que quelle contribution, ça c'est, vous m'excusez, ça c'est nier ce qui est vrai. Alors, alors, on va aller à DIFA, où vous étiez euh, présente dans le cadre de la recherche de, la paix et de la consolidation. Tout à fait. Vous avez discuté avec les femmes. Tout à fait. Quelle était leur perception de, de, de la guerre là-bas à Difa en tout cas, les femmes que nous, nous avons rencontrées, qui ont été vraiment, c'était un sentiment de désolation qu'on a trouvé là-bas. Un sentiment, nous étions indignés. Parce que ces femmes nous racontaient certaines situations qu'elles ont vécues. Euh, ça fait vraiment, c'est horrible. Parce qu'une femme nous a raconté qu'elle a été victime devant elle et ses cinq enfants, que son mari a été assassiné devant son regard impuissant. Vous voyez cette femme, quelle est cette douleur morale qu'elle ressent et quel traumatisme la femme a subi. Donc vraiment tout ça là, vraiment nous avons trouvé des femmes qui étaient dans des temps... il y a beaucoup de cas comme cela. Oui, il y a beaucoup de cas, ceux, qui nous ont, ceux que nous avons approchés, les déplacés que nous avons approchés. Mm. Donc vraiment, il y a beaucoup de cas qui nous ont euh, donné leur, cas, par exemple, euh, des exemples concrets. Vraiment, nous étions indignés par cette situation. Dieu merci, quand même, il y a des soutiens psychologiques qui sont en train d'être apportés Il y a quelques soutiens de part et d'autre, mais c'est vraiment insuffisant. En quoi est-ce qu'une journée comme euh, celle dite porte ouverte euh, sur le rôle de la femme peut amener davantage euh, les femmes à jouer le rôle vous aux des hommes Vous savez, quand on dit la sensibilisation là, c'est un changement de mentalité. Pour changer la mentalité de la personne, c'est une répétition de ce qu'on fait. Et on dit que la répétition, elle est pédagogique. Maintenant, c'est pour éveiller les consciences des femmes, pour qu'elles sachent que vraiment elles ont toujours joué un rôle important. Depuis la naissance de l'humanité, la femme a toujours joué un rôle important dans la question d'asseoir une paix définitive. Mais faut-il avoir conscience de, ce, de son rôle Maintenant, c'est pour sensibiliser les femmes, pour qu'elles prennent conscience de l'ordre important qu'elles jouent dans l'apaisement de certaines situations elles sont pour quelque chose. Elles peuvent aujourd'hui faire taire toutes les tensions parce qu'elles ont la maîtrise de cela, parce qu'elles sont mères, elles sont épouses, elles sont sœurs, elles sont filles, elles sont grand-mères, elles sont tout ce, que ça comporte. C'est une composante. Pour, cette cérémonie du Palais de Congrès, vous étiez là-bas, votre réseau est présent à travers un stand tout à fait. Et quel était votre message à ceux qui visitent votre stand Notre message, c'est qu'on a d'abord présenté notre réseau pour qu'il soit visible. Parce que nous voulons faire la visibilité de notre réseau et des actions que nous avons amenées. En l'occurrence, ce que je ne vous ai pas demandé, on a organisé un grand prêche au niveau de Gadi Sekou qui a regroupé toutes les femmes religieuses en 2014. Et ça a fait tache d'huile. Beaucoup de gens nous ont téléphoné, ils ont dit voilà, des gens qui font, qui posent des actes concrets pour que la paix s'assoie parce que nous sommes dans, dans un pays à 90% musulmans. Donc vraiment, nous, nous pensons que les prêches peuvent amener quelque chose. Et nous avons notre dépliant qu'on a distribué aux gens. Et donc, c'est en quelque sorte une contribution efficace et nous avons sensibilisé tous ceux qui choses. Rien que la paix, nous avons dit qu'on ne veut pas de la guerre, on ne veut pas de troubles, on ne veut pas de conflits. Rien que la guerre est de consolider nos valeurs là, c'est un acquis. C'est un capital humain que nous avons. Il faut le consolider, il faut le capitaliser. Nos valeurs traditionnelles que nous sommes en train de perdre, il faut qu'on les récupère, il faut qu'on les capitalise. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Est-ce que, à votre côté, vous pensez qu'il y a d'autres femmes qui se mobilisent justement pour votre idéal oui, il y a beaucoup de femmes qui qui se mobilisent, mais les actions ne sont pas visibles. C'est pourquoi, d'où l'importance même de cette journée. Vous faites des actions qui ne sont pas visibles. Donc c'est ça, il y a une timidité. Vous avez en tête des ONG qui, se s'illustrent sur le terrain, comme vous, des réseaux des, associations Oui, il y en a des, associations. Mais vous savez, le grand problème ici, c'est que les gens ne travaillent pas en, synergie. Si nous, nous travaillons en synergie, nous mettons nos efforts en commun, vraiment nos activités seront visibles, nos actions seront visibles. Mais sinon, je sais qu'il y a beaucoup d'autres réseaux qui travaillent sur la paix. Par exemple, PDF 2, à travers les religieux. Il y a un groupe de religieux qui travaille sur la paix aussi. Il y a un groupe de jeunes de FADA qui travaille sur la paix. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'associations. Et quel est votre message à leur endroit C'est de la synergie d'action là. Vous savez, on dit l'union fait la force. Mais si nous partons en notre dispersé, nos résultats seront vains. C'est l'appel que j'ai à lancer. Il faut qu'on se réunisse et qu'on cherche la paix là, qu'on unisse nos efforts, qu'on s'unisse. On, on, fait comme un seul homme. Et pour vraiment combattre les conflits, là où ils se trouvent. Hmm. Alors, vous avez parlé de paix. Il y a aussi l'assistance humanitaire. C'est un des thèmes phares de, cette journée. Vous avez cité des, des, victimes de conflits, nous avons des assisté, victimes de la guerre. Nous avons assisté. vous, savez, en, bon, musulman, on dit que la main droite là, ce qu'elle donne là, la main gauche ne doit pas le savoir. Ça veut dire que tous nos efforts sont tombés. On a assisté beaucoup de gens. Donc on ne voulait pas le, on ne voulait pas le dire. Mais rien que euh, il y a trois semaines, on a assisté, on a assisté des gens. Mais vraiment, nous, on ne veut pas faire un tapage autour de ça. ça, parce peut, ça peut faire tache d'huile quand même. Non, ça, fait, ça peut faire tache d'huile. Et nous, vraiment, c'est des actions humanitaires que nous sommes en train de faire. Et vous avez assisté qui Nous avons assisté nos sœurs de Diva. Quand on était sur le terrain, on les a assistées. On a assisté d'autres femmes qui sont dans le besoin. Vraiment, on continue à assister. Mm. Et C'est quoi Qu'est-ce que vous leur apportez comme soutien, euh, comme assistance <laughs> Je vous ai dit que la main gauche, est là, ce qu'elle donne, la main droite ne doit pas beaucoup, euh, nous ne voulons pas beaucoup insister, mais en parler sur les dons que nous avons faits. Mais nous pouvons parler sur les sensibilisations, les actions pour l'éveil de conscience. Ça, on peut toute la journée en parler. Mais quand nous donnons quelque chose, nous ne voulons pas faire du tapage parce que vraiment, ce sont des choses humanitaires. On le fait pour, pour, pour, pour, pour, pour notre âme et conscience. Nous ne le faisons pas pour que quelqu'un voit pour dire que, ah, voilà des gens qui, font telle chose. Nous faisons les choses dans l'anonymat. Nous les avons toujours fait, nous avons toujours aidé dans l'anonymat. Voilà, Madame Haruna, vous allez rester avec nous euh, le temps d'observer une courte pause et pour revenir encore. À 18h44, nous restons toujours au Palais de Congrès où était présente ce matin la première dame, euh, Aïsseta Issoufou, qui était en fait la marraine de la journée. Elle est intervenue et dans son intervention, elle a souligné que les femmes sont très peu impliquées dans les initiatives de paix et moins associées dans les négociations. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention ces dernières années, les pays du Maghreb et du Sahel ont été confrontés à une instabilité récurrente. De ce fait, les dividendes de la paix et du développement sont menacés par les attaques et les crimes des groupes terroristes organisés et par la pratique du déplacement massif des hommes, des femmes, des vieillards, des jeunes, des enfants. Suite à ces déplacements massifs dus aux attaques à Difa depuis 2014, on compte plus de 200 000 personnes déplacées, parmi lesquelles des réfugiés nigériens, tchadiens, camerounais et des personnes déplacées de l'intérieur du pays, dont la plupart sont des femmes et des enfants privés de leurs moyens de subsistance. L'accès à des services socio-économiques de base tels que l'éducation, la santé, l'eau potable et les marchés locaux constitue désormais une problématique centrale. La sécurité communautaire, la cohésion sociale, la résilience et potentiellement les droits humains sont amondris. Ce qui entrave la paix, la sécurité et le développement de cette région du pays. En effet, dans les situations de crise, toutes les populations sont affectées, tout particulièrement les femmes et leurs enfants ainsi que les jeunes. On peut souligner les risques de violences sexuelles et psychologiques pour les femmes, la malnutrition et l'abandon scolaire pour les enfants et l'oisiveté pour les jeunes. Il est important de relever que les femmes ne sont pas que des victimes dans les périodes de crise. Elles sont aussi des actrices importantes pour la consolidation de la paix. Au Niger et partout dans le monde, les femmes constituent un potentiel important dans le maintien de la paix. Elles sont gardiennes de la culture, éducatrices auprès de leurs familles elles sont un canal à travers lequel la culture de la paix peut être véhiculée de génération en génération, ce qui veut dire tout simplement qu'elles sont une puissante force pour la consolidation de la paix. Il est aussi vrai que dans les situations de crise, les femmes sont parfois les premières à apporter de l'aide aux victimes en donnant de l'eau, de la nourriture, partageant leurs vêtements, apportant même parfois une prise en charge psychologique à travers des mots doux, des mots d'apaisement avant même l'arrivée des acteurs humanitaires. Pourtant, elles sont très peu impliquées dans les initiatives de paix, encore moins sur les tables de négociation, ce qui souvent fait passer sous silence les besoins spécifiques et les vulnérabilités des femmes et peut entraver l'état l'établissement d'une paix durable en ce sens que l'efficacité des accords de paix, de sécurité ou de l'action humanitaire reste limitée. C'est pourquoi le Niger s'est joint à la communauté internationale il y a 15 ans de cela pour dire non à l'exclusion des femmes dans les initiatives de paix à travers l'adoption de la résolution 1325 en l'an 2000 et qui recommande aux États membres dont le Niger fait formellement partie la présence des femmes à tous les niveaux dans la prévention et la gestion de conflits ainsi que dans les opérations de paix et de reconstruction post-conflit. Voilà, vous venez de suivre la première dame euh, ce matin au Palais de Congrès, euh, Issoufou, euh, qui, euh, qui, qui a intervenu par rapport à la contribution de la femme nigérienne aux actions humanitaires et à la consolidation de la paix. La femme nigérienne a joué un grand rôle, joue un grand rôle dans la consolidation de la paix. La femme nigérienne a contribué aux actions humanitaires et à la consolidation de la paix. Madame, nous revenons au studio avec vous. Vous avez suivi le discours de la Première Dame. Elle dit que, elle constate, elle souligne que les femmes sont très peu impliquées dans les initiatives de paix et moins associées dans les négociations. Euh, c'est votre constat aussi Tout à l'heure. Comment Est-ce que vous pouvez des exemples concrets où euh, les femmes ont été moins associées alors que quand même euh, elles jouent un grand rôle dans la consolidation de la paix, de la promotion de la paix. Mais vous savez, quand on dit que telle chose est née, par exemple la résolution 1325, elle n'est pas un fait du hasard, elle n'est pas tombée du ciel. C'est après mille et mille analyses, des constats faits sur, le, terrain. que la résolution 1325 est née en 2000. Vous savez, l'exclusion des femmes, la discrimination à l'égard des femmes, ça, c'est réel. Ça, c'est un fait réel. Elle a tout à fait raison que les femmes sont discriminées. Elles ne sont pas impliquées. Pourtant, elles sont les actrices, les artisanes, vraies ambassadrices de la paix. Mais aujourd'hui, quand il y a un forum pour sur la paix, combien de femmes sont présentes les, différents forums qui se sont passés pour sur la paix qu'on a organisés au Niger, combien de femmes par rapport au nombre d'hommes qui participent Combien, quel est le chiffre Tu peux me donner le pourcentage de femmes Le pourcentage. femme, grande mobilisatrice, mais pourquoi on lui dénie quand même ce droit qu'elle est en train de traduire dans la réalité C'est ça que je suis en train de. Et qui le fait Qui décide C'est le décideur. Parce que si le décideur a décidé, moi qui ne détiens pas une parcelle de responsabilité. Est-ce que je peux dire impliquer telle femme ou telle femme Impliquer à part égale les femmes, de manière équitable. Je ne peux pas. C'est ceux qui détiennent les parcelles de responsabilité qui doivent changer de comportement. Parce que la paix, là, c'est un comportement. On peut bien changer, on peut bien changer son comportement. Alors, comment faire pour impliquer, euh, pour plus impliquer les femmes, pour plus les associer Parce que ça, là, la résolution 1325, là, ce n'est pas des signatures de conventions qu'on signe et on les met sur la table, on fait fi de, ça. Parce que vous savez que beaucoup de pays ont signé des conventions qui sont vraiment favorables pour les femmes. Mais convention signée qui devient supranationale qu'on ne respecte pas. Ça, c'est un engagement. C'est un engagement. Euh, alors, pour résoudre ce problème d'implication, vous avez mené des actions aussi On est en train de mener, et même la journée d'aujourd'hui c'est pour résoudre, c'est pour vulgariser la résolution 1325. La journée a un titre, a un thème bien précis et elle fait allusion à la vulgarisation de la résolution 1325 qui est peu connue du, du public. Donc, elle vulgarise la résolution 1325 qui fait obligation. C'est une obligation pour les États d'impliquer les femmes, je vous dis, au niveau de la prévention, de la participation, de la protection, des opérations de construction et de redressement. C'est ça qu'on appelle les PPPO, les 3 PO. Donc ça, c'est une obligation. Mais vous êtes certaine que euh, il y aura des résultats Il y a des résultats parce que vous avez vu, le Niger était le dernier à ne pas avoir un plan d'action national. Et Dieu merci, je vous ai dit, dans la mi-novembre, là, le plan d'action a été adapté et validé grâce à l'appui financier de ONIFAM et du PNUD. Ah, Donc vraiment. Quand est-ce qu'il sera mis en œuvre, le plan d'action mais il, on est en train de le vulgariser. Oui, à travers, cette, cérémonie, à travers cette cérémonie. Donc, c'est en quelque sorte une vulgarisation et un plaidoyer pour que les partenaires, le plan d'action, qu'ils sachent qu'est-ce que le plan d'action contient. Donc, on est en train de vulgariser le plan d'action. C'est cette vulgarisation qui permettra au grand public et à tous les partenaires intéressés par la question de s'y associer. Madame, euh, nous allons encore réécouter une autre grande dame qui a participé à cette cérémonie de, journée d'exposition sur le rôle de sur la contribution de la femme nigérienne aux actions humanitaires et à la consolidation de la paix. Il s'agit de la directrice régionale adjointe de, de Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Suivons Corinne Delphine Dao qui rend visible la contribution de la vaillante femme nigérienne aux actions humanitaires et à la consolidation de la paix. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier vivement le gouvernement du Niger qui, à travers les actions du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, n'a cessé de soutenir le bureau ONU Femmes au Niger et l'ensemble du système des Nations Unies, montrant ainsi que l'ensemble du gouvernement nigérien est résolument en faveur de la paix. ONU Femmes, qui est l'Agence des femmes. Notre agence est l'entité des Nations Unies pour l'égalité des genres et l'autonomisation de la femme, a ouvert ses portes au Niger comme UNIFEM en 2007. Et depuis ce jour, nous avons eu l'honneur d'être dirigés par deux femmes nigériennes. J'ai nommé Mesdames Fatih Alou et Binta Tani que je tiens à remercier pour leur contribution dans la marche vers l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes au Niger. J'aimerais aussi adresser modestement mes remerciements à toutes ces personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette journée unique que nous sommes en train de vivre ensemble et qui est un modèle pour l'Afrique. J'exprime ainsi ma gratitude à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui, malgré leur occupation quotidienne, ont embelli de leur présence cette salle. Chère maman, je vous dis merci. Les femmes que nous sommes avons toujours contribué à la consolidation de la paix et aux actions humanitaires en Afrique et dans le monde entier. Parce que la femme donne la vie. Nous femmes, nous travaillons toujours pour la préservation de la paix dans la maison en particulier et dans la société en général. Ce n'est pas donc une surprise d'avoir son Excellence Madame la Première Dame parmi nous aujourd'hui. Je lui réitère mes remerciements. Même en temps de crise, L'expérience l'a prouvé. C'est nous, les femmes, qui donnons les premiers soins et appui aux familles déplacées, évidemment avec l'appui de nos maris. C'est le lien ainsi de féliciter les membres de l'association des Premières Dames pour la paix, qui est pour nous un exemple et qui concerne l'appui aux personnes déplacées. Le lendemain de l'attaque terroriste à Difa, elles ont mobilisé les moyens pour assister les personnes déplacées dans cette région. Les femmes nigériennes ne sont pas seulement actives pour la paix et les actions humanitaires, au Niger. Les femmes nigériennes se distinguent également pour leur engagement dans l'ensemble du système des Nations Unies, à l'instar de notre vaillante sœur, Madame Aïchatou Mindadaou, qui a démontré la capacité et la compétence des femmes nigériennes. Malheureusement, toutes les contributions des femmes du Niger dans le monde ne sont pas connues et documentées. C'est pour ça que ONU Femmes encourage les pays à organiser les journées portes ouvertes pour accroître la visibilité des actions des femmes pour la paix et le plaidoyer dans le monde. Nous espérons que cette célébration ne sera pas la seule, mais deviendra un événement annuel organisé par le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant avec l'engagement de nous toutes, femmes, ici réunies. Chères mamans, je remercie les autorités nigériennes qui n'ont pas seulement adopté la résolution 13-5, mais sont allées beaucoup plus loin. En dotant le pays d'un ministère dédié à ce thème et également en dotant ce pays d'un plan d'action pour permettre de réaliser les promesses de la résolution 13 1325. Voilà, vous venez de suivre la directrice régionale adjointe de ONIFAM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Corinne Delphine Dao, qui a rendu hommage à, la femme nigérienne. Madame euh, Aruna, vous êtes avec nous, toujours dans le studio. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais j'ai quand même remarqué qu'elle a souligné l'aspect de l'appui des maris dans la recherche aux côtés des femmes pour la consolidation de la paix. Qu'est-ce que vous avez à dire aux hommes Est-ce que vous avez travaillé avec les hommes notre, réseau, on travaille avec les hommes. On ne peut pas. On parle d'équité du genre. Nous ne pouvons pas exclure les, hommes. Quand on dit genre, homme, femme, fille, enfant, garçon et tout, vieillard et tout, adulte et tout. Donc nous, on travaille, on respecte, nous sommes respectueux du genre. Donc on n'écarte pas les hommes parce que on vous dit, il y a un proverbe ça qui dit une seule main ne peut pas laver un linge. Il faut les deux. Donc on ne peut pas mettre nos maris à l'écart. Ce sont nos époux, ce sont nos frères, ce sont nos choses. Tu restes ceux qui vont sur le front. Même les femmes vont sur le front. Vous avez vu un témoignage qui a été adressé à une vaillante femme, en l'occurrence, Aïchatou Isaka Ousmane, qui s'est distinguée. Une femme euh, militaire nigérienne. Militaire nigérienne qui s'est distinguée et qui a été primée donc c'est un honneur pour le Niger. Vous avez entendu tout de suite parler de Madame Aïchatou Mindaoudou, hein, dont les capacités matérielles, managériales plutôt ne sont plus à démontrer. Euh, c'est ça, ces capacités. Ces qualités, ces qualités managériales ne sont plus à démontrer. Et c'est ce que c'est un hommage qu'on lui a rendu. Vous avez entendu, elle a rendu un hommage mérité à Madame Alou Fatoumata, à Madame Binta, Binta Hassoumi, donc euh, voilà, des exemples concrets qui sont là, qui sont, nombreux. Ils sont nombreux. Et votre mot de la fin pour amener hommes et femmes à être ensemble, à s'impliquer les uns les autres, à s'associer pour euh, rechercher la paix, pour consolider la paix. C'est-à-dire, mon dernier mot, ce que je souhaite pour notre pays là, parce que nous, nous sommes finis. Nos générations futures là, les générations montantes et futures. Nous sommes là, mais <laughs> pour nous, nous sommes en train de partir à petit feu. Mais les générations montantes et générations futures, il faut qu'on leur lègue un Niger radieux, havre de paix où il, faut, fait bon vivre. Vraiment, je demande aux hommes et aux femmes d'unir leurs efforts de, de, de, travailler en, en, synergie, dans la symbiose, dans la communion des cœurs dans l'esprit de tolérance, le faire plaire et la solidarité et l'entraide. Merci Madame Haruna pour cette belle conclusion. Madame Haruna Fatoumata, secrétaire générale de la, de la, à la formation du réseau national des femmes pour la paix et également membre de la coordination des ONG associations, et associations des, des femmes du Niger Congafen. Merci d'être là. Merci de nous avoir accompagnés à l'occasion de euh, la cérémonie euh, ou de la jeune porte ouverte dédiée à la femme nigérienne euh, pour, ses actions humanitaires et sa consolidation de la paix. Il faut dire que tous les propos que vous avez entendus ont été recueillis par une autre femme de paix, Adama Dawaji. Et voilà, et ainsi s'achève ce forum. On se retrouve demain pour une, une autre thématique. Bonne soirée à tous et à toutes.